Il rafetlu le choix apporté à la personne du premier ministre Amadouba. comme j'ai l'habitude de le dire c'est un choix de raison un choix porteur vraiment d'espoir parce que tey bon, tu vois le profil tu vois le diar, nous nous am Sénégal vraiment euh, pour vraiment relever défi déjà défi défi Sénégal ndax jaar le président Macky Sall au niveau de l'Union africaine dafa wone vraiment rôle bi Sénégal mën jouer ci Afrique ak ci àdduna loolu moo tax tey kiy au Sénégal dañ ci war a xalaat au-delà du Sénégal moo tax ñu rafetlu bu le choix porté à la personne euh, en tout cas du premier ministre Amadou Ba ñu rafetlu aussi au niveau du Jobas, au niveau de la coalition gagnante la coalition majoritaire Benobok Yakar, au niveau de notre parti aussi l'AFP parce que Tay, avons euh, sama ben camarade bo xamné ñoo AFP mu nekk ci ba ñu ci donc cette solidarité agissante au niveau du parti mais aussi au niveau de la coalition nous lañuy continuer dans l'unité pour que vraiment au soir du 25 février 2024 ñu mën né Amadou Ba mom moy le président du Sénégal té lolu dinañ ci bay suñu waar bu baax baax Jobas euh, depuis coalition Benno Bokk Yaakaar taxaw Jobas, musul ñak élection et inshallah, bi di ñëw aussi ànd ko ak ñëpp ñi nga xam vraiment ay responsable lañ au niveau de noto Jobas, dinañ def le tout pour maintenir le flambeau plus haut je dirais c'est-à-dire li ñu doon am ñu am lu ko ëpp waaye bu kenn xalaat ni jobas vraiment dina am neneen nu mu demee ludul gagner avec la coalition Benno Bokk Yakar. parrainage bi wax nga ko y a beaucoup de candidats mais damay wax ni c'est Madame maanaam téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci lu présidentielle bu nous un parrainage bi kon eu ci moyen financier rek kenn xamul nu muy toll ñu budget Sénégal Le parrainage ça a été très intelligent mais également le plus nga en tout cas moo ci euh, fonction présidentielle comme nous avons faral du désacraliser la fonction présidentielle parce que nous na que nous nous avons ku euh, candidat la bu parce que comme en tout cas nous mënuñ président de la république je pense encore une fois j'appelle tous les responsables, tous les camarades en tout cas de Benno à la raison. C'est seulement dans l'unité qu'on peut gagner. Si nous avons l'unité, vraiment, nous espérons encore une fois, vraiment, nous devons le tout pour éviter le syndrome Benno Sigil Sénégal en 2012. Nous ne faisons que saluer en tout cas le choix, euh, en tout cas porté en la personne du Premier ministre Amadouba, qui est un choix de raison, un choix mûrement réfléchi, mais aussi un choix porteur d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, le passage du président de la République Macky Sall au niveau de l'Union africaine montre que le Sénégal joue un rôle au-delà même de ses frontières, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. Je pense que son passage qui a en tout cas beaucoup marqué en tout cas le monde de manière générale montre que le Sénégal ne doit pas faire une erreur en choisissant en tout cas son président. C'est pourquoi euh, le profil en tout cas du PM Amadou Ba correspond exactement à ce que nous attendons, à ce que nous comprenons de cette fonction présidentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambition euh, au niveau même de la coalition, mais c'est le moment pour moi et c'est l'occasion pour moi d'appeler tout le monde à l'unité pour qu'ensemble on puisse en tout cas relever ce défi-là. Parce que divisés, nous serons en amoindris, affaiblis. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera dans l'intérêt de personne. Amadouba a un profil aujourd'hui qui correspond au Sénégal et à l'Afrique. Donc je pense que, comme je l'ai encore une fois, nous devons penser au-delà du Sénégal et en tout cas être conscient du rôle déterminant que le Sénégal joue. Et aussi, je pense que, comme vous l'avez dit, avec le, parrainage aujourd'hui, donc je, vois que quand même il y a beaucoup de candidats qui se sont déclarés 128 exactement, mais comme je l'avais dit ça ne désacralise pas la fonction présidentielle. Peut-être ceux-là qui pensent que vraiment il faut en tout cas, voilà, se présenter juste pour se présenter, c'est eux-mêmes qui seront décrédibilisés, mais pas la fonction présidentielle qui sera désacralisée. Donc c'est pourquoi nous portons beaucoup d'espoir et le Djobas jouera sa partition parce que depuis la création de la coalition Benobo-Kayakar, le Djobas gagne des élections et nous continuerons en tout cas à porter en tout cas ce combat et maintenir le flambeau plus haut pour avoir des meilleurs scores. Mais le Jobas ne va pas régresser Et nous le ferons avec euh, toutes les parties prenantes au niveau communal et au niveau départemental.